auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou, diffusée via nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés, Rekia Arimi pour la présentation. Bonjour Rekia, Bonjour Salamatou, je vais bien et toi je me porte bien, merci. Un clin d'œil à ceux qui assurent l'édition. Moussa Hassan et Amina Hassan assurent la, la technique. Il y a quoi de neuf aujourd'hui au comme d'hab, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices. Au programme de la musique, du loti, la page sport, le portrait et bien sûr le flash d'actualité. Ce matin, nous suivrons un entretien avec Anafi Suleiman, le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'artisanat sur le salon international Ciao qui se tient à Ouaga au Burkina Faso. Chers auditeurs, Rafika Attaher est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Rafifi. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va. Alors, pour ce 28 octobre 2024, c'est la rentrée scolaire. Élèves et enseignants reprennent le chemin de l'école pour l'année académique 2024-2025 au Niger. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, des associations de la diaspora et du Niger appellent à une grâce présidentielle pour les détenus politiques. C'est en effet dans un esprit d'unité nationale que ces les associations sollicitent la clémence du président du CNSP dans une lettre qui lui est adressée pour les détenus politiques, civils et militaires hérités par le CNSP en envisageant leur libération. Les associations rappellent que l'absence des parents, particulièrement en cette période de rentrée scolaire, pourrait engendrer des blessures émotionnelles chez les enfants. Une délégation gouvernementale et une délégation de l'entreprise Zima retenue pour la construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrolier pétroliers à Dosso ont visité le vendredi dernier le site devant abriter ses installations pétrolières à une quinzaine de kilomètres de la ville de Dosso. C'est un vaste terrain de 7877 hectares que l'État du Niger a mis à la disposition de ce projet. Pour l'instant, ce sont 1385 hectares qui seront consacrés à l'installation de la raffinerie d'une capacité initiale de 100 000 barils jour et du complexe pétrochimique 30 autres hectares seront réservés à la construction d'une centrale électrique et 30 autres au parking des gros engins. L'opération Journée de salubrité publique généralisée se poursuit à Niamey. L'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Bouba Soumana Garantier, a présidé hier 27 octobre vingt-quatre l'opération Journée de salubrité publique généralisée dans son entité administrative. C'est ainsi qu'il s'est rendu sur les sites de Isaberi, de la cité Karijo au quartier Zangorzo, Niamey 2000, Dar Salam de la grande voie de l'école au Vive au CSI Abidjan, mairie garage et sur la voie du rond-point ENA où un panneau de communication a été installé. Intervenant au terme de ces visites, l'administrateur délégué de la ville de Niamey exhorte la population à continuer sur la même voie qui rend la ville de Niamey propre, soulignant qu'on vient de sortir de la saison pluvieuse qui a impacté fortement les infrastructures de la région. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci, merci Rafifi, merci pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous suivrons un entretien de Anafi Suleiman, le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat sur le Salon international de l'artisanat Siao qui se tient à Ouagadougou au Burkina Faso. Mais avant, pour bien vous installer, nous vous proposons cette musique de l'artiste Abel Zamani qui nous vient avec le titre Taré. Alhamdulillah. Eh Dieu. Masha Allah. suis To wani à ça a y a quelqu'un qui a gagné kin ga gani en colis En colis هحول آه. ان شاء الله دام <laughs> دام يسلك <laughs> سيفي سكة غرق زماني معكونا إيه. عابل زماني شبيه دبيت وياي وانا قيه مزنا عنجي 1991, Abdel Zamani est un chanteur et compositeur nigérien. Il a enregistré son premier morceau avec son père Salif Barke du groupe musical nigérien Tandé à l'âge de 8 ans. Il évolue dans le registre de l'afropop et ses chansons portent sur des thèmes divers, notamment l'amour. Euh, c'est en 2011, plus précisément, qu'il déposa ses valises à Accra où il enregistra son premier son sur Bajo. Avec ses titres, il fut le premier artiste nigérien à faire de l'afropop qui a connu le succès à Niamey. Cet artiste a connu du succès en collaborant avec des artistes locaux et internationaux et qui continue de faire bouger la musique nigérienne hors de frontières aussi. Dimo wangu ni bonse dinkwe kani ni forara Di wangu ni bonse man kani online fatara Wanir mabakere ma bakere. yanyi kwa retour au studio avec euh, cette pause mise. Après cette pause musicale, place à présent euh, à notre première partie de l'entretien. Et oui, retient à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CAO, se tient du 25 octobre au 3 novembre prochain dans la capitale burkinabé avec comme invités spéciaux le Mali et le Niger. Les participants auront l'occasion de promouvoir leurs talents et de tisser des liens commerciaux avec les autres pays. Selon Annafi Suleiman, le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le Niger n'est pas à sa première participation. Il est joint au téléphone par Rahila Tousmana. Le Salon international de l'artisanat qui se tient à Ouagadougou, le Niger est invité spécial avec le Mali et donc, euh, qu'est-ce que cela signifie pour euh, nous de participer à ce genre d'activité et d'occuper euh, cette place-là Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer un peu ce que nous faisons. Effectivement, le Niger a toujours participé au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et nous avons toujours fait très bonne impression. Nous avons remporté d'ailleurs beaucoup de prix pour cela. Et cette année, nous sommes avec le Mali les deux pays invités spéciaux puisque en tant que membre de l'AES, nous avons été particulièrement sollicités pour participer à cet événement-là. Et les plus hautes autorités du Niger, c'est ça la particularité de, de, cet euh, événement, de cette participation de cette année, c'est que les plus hautes autorités du Niger ont autorisé d'abord le ministère à y participer avec une très forte délégation, au moins 80 personnes. Et nous avons déjà réservé aux frais de l'État 30 stands pour les artisans nigériens et on a le, gouvernement a affrété un avion. Donc c'est un vol spécial qui a amené la délégation là-bas. Donc euh, le Niger va participer à tous les événements qui sont prévus là-bas, notamment les expositions. Il y a aussi beaucoup de conférences et surtout il y a le village de l'AES qui sera animé et on a prévu de faire une journée de la gastronomie nigérienne où seront particulièrement dégustés des plats typiquement nigériens par tous les invités d'honneur venus là-bas. Et le village de l'ASC, c'est quoi C'est un village dans lequel il y aura des stands de trois pays. Et ces stands-là, ce n'est pas seulement de l'artisanat, on va aussi parler des merveilles touristiques du Niger. Pourquoi est-ce qu'il faut visiter le Niger Qu'est-ce qu'il faut venir voir Et quelles sont les facilités qui peuvent être accordées Il y aura aussi la gastronomie. Donc nous avons, nous sommes partis avec les spécialités nigériennes, qui sont notamment le kilichi, le fromage, et les dates et bien d'autres produits. Qui et sont le Et le copto, bien entendu. Le <laughs> copto qui sera très dégusté là-bas. Donc, euh, nous sommes partis aussi avec des produits de l'intérieur du pays comme le alkati et, et, le kakandadi, ou comment on appelle ça. Donc, nous avons un peu essayé de prendre par région quelques mets spéciaux. Nous sommes partis aussi avec un cuisinier qui va faire des spécialités nigériennes. Et nous avons aussi sollicité la communauté nigérienne présente là-bas pour que le jour de la, journée nigérienne, qu'ils viennent avec des spécialités gastronomiques de leur terroir qu'ils vont exposer pour que nos invités puissent les déguster. Il y aura aussi la réunion de, tous les artisans de l'Afrique de l'Ouest et le Niger est candidat pour la présidence de cette, euh, de cette euh, organisation, la ouest-africaine de, l'artisanat, à la personne du président de la, FLAN, de la FNAN, M. Sahabi Yaji. Et il y aura des séminaires et ateliers auxquels nous allons nous sommes souvent même panélistes ou conférenciers. Ok, en plus de la gastronomie et de l'artisanat, quel autre euh, aspect du Niger sera représenté il y aura, il y, aura, il y aura de la culture. Nous sommes partis avec une troupe culturelle nigérienne qui va animer tout au long. Elle va non seulement animer sur le, dans le village, sur le site du Niger, mais elle va aussi participer à toutes les animations culturelles prévues dans les différents centres culturels du, de Ouaga pendant cette période-là. De qui s'agit-il et c'est un groupe, euh, c'est un groupe Touareg que nous avons amené. Donc euh, c'est ce groupe-là qui, qui, représentera le Niger pour cette année. L'année dernière, nous étions partis avec Denke Denke. chaque année, nous prenons une, troupe euh, particulière d'une région. Donc c'est cette année, c'est un groupe Touareg que nous avons amené. Et c'est des groupes qui nous ont toujours rapporté des prix. Parce que vous vous rappelez que l'année dernière, nous avons amené le groupe Bianou en Inde et ils ont remporté le premier prix. Donc c'est ces critères-là que nous choisissons, ces, troupes-là. Est-ce que l'accoutrement nigérien sera représenté avec les le et autres Oui, nous avons prévu aussi de montrer, parce que la journée nigérienne, ce n'est pas seulement la gastronomie, c'est aussi euh, les tenues traditionnelles et les trèfles traditionnelles et tout ce qu'il y a. Même si nous partageons certaines avec le Mali et d'autres avec le Burkina, en tout cas le Niger est parti avec ça aussi. Et nous sommes même partis avec des artisans différents qui vont vendre les produits de Terra Terra et autres dans les stands du Niger. C'est la ministre elle-même qui conduit la délégation. Vous l'avez entendu, le Niger, à travers ses 80 participants, fera la promotion non seulement de l'artisanat du pays, mais aussi surtout celle de la gastronomie locale et les tenues traditionnelles qui seront présentées lors de la journée nigérienne. Chers auditeurs, avant d'entamer la deuxième partie de notre entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec Mouma Bob à travers le titre Imidouane. 1963 près des Ingel de la région d'Agadez au nord du Niger. Il apprend à jouer de la guitare avec Abdallah Ag Umbadougou au sein du groupe des Takris Ingels. Mouma fait partie de ces artistes qui ont rejoint la, rébellion, la rébellion Touareg des années 90 et qui ont utilisé leur talent pour la cause Touareg il a aussi composé 11 morceaux de 1992 à 1993 et donné de nombreux concerts au Niger, à Libye et en Algérie. Après la rébellion, Mouma forme son propre groupe Ima Walanas, connu dans tout le Niger et qui est composé de 13 musiciens et danseurs Pel et Touareg. Dans ses chansons, il appelle à la paix, à la solidarité. Mouma Bob est décédé le 11 juin 2016 à Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Thank you. c'était là le titre Imidouane que vous venez d'écouter. Poursuivant la deuxième partie de notre entretien, les artisans nigériens vont compétir dans toutes les catégories à ce salon qui se déroule à Ouagadougou. Par ailleurs, bientôt les deux autres pays de l'AES seront l'invité spécial à l'occasion du SAFEM, le Salon international de l'artisanat pour la femme, prévu se tenir du 29 novembre au 8 décembre 2024 à Niamey. C'est selon Anafi Souleyman le secrétaire secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et c'est dans la seconde partie de l'entretien, il est joint au téléphone par Raylato Soumana. On est nominé dans toutes les catégories. Vous savez, le Niger, l'agence euh, du SAFEM a un partenariat avec la direction générale du CIAO. Elle est d'abord toujours membre du jury international et le Niger compétit pour toutes les catégories. D'accord. Est-ce qu'on euh, peut dire qu'il euh, y a une inclusion, les femmes sont largement représentées, les jeunes euh, dans la délégation Vous savez, en matière d'artisanat, les femmes s'imposent. Elles sont assez nombreuses dans la délégation, mais le secteur le plus, le plus investi par les femmes, c'est la transformation agroalimentaire. Et les gens seront surpris par la qualité des produits parce que ce n'est pas seulement des fabrications traditionnelles, mais aussi elle propose les produits transformés nigériens aujourd'hui sont aussi bien traités et emballés que les produits qui sont importés. En tout cas, moi, j'ai ai, vu quelques échantillons. Ça a été, c'est très promoteur. D'accord. Donc, euh, après euh, ce salon de l'artisanat, bientôt ici au Niger, il y aura le SAFEM. Est-ce que aussi vous envisagez de faire du Burkina invité spécial à, cette, euh, à cet événement et du Mali à cet événement Bien entendu, bien entendu, le, SAFEM profite aussi de ce forum de Ouaga pour mobiliser tous les pays qui seront présents et particulièrement le Mali et le Burkina. d'ailleurs, euh, je crois que ce n'est pas encore officiel, mais nous envisageons quand même de faire un village du Buktako Gourma au sein du SAFEM qui regroupe essentiellement ces deux pays-là. Ce n'est pas des pays que nous négligeons. nous avons beaucoup de protocoles d'accord avec eux et aujourd'hui, c'est nos principaux partenaires dans tout ce que nous faisons. Est-ce que à travers ces activités, on peut dire que les trois pays euh, vont vraiment faire la promotion de leur culture Tout à fait. les responsables de nos trois pays sont tout le temps en contact. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que nous faisons comme ça. Nous nous concertons très souvent et nous prenons les décisions de commun accord. Ce qui fait que tout ce que nous faisons, souvent euh, les autres pays se préparent en conséquence et ils sont associés pleinement. Le Mali, dès qu'ils font leur, euh, leur salon, ils, nous sommes très actifs. Le Burkina, la même chose, et les deux pays sont très actifs dans tout ce que fait le Niger. Dans les deux domaines d'ailleurs, que ce soit au niveau du tourisme comme au niveau de l'artisanat. Les agences chargées des, deux secteurs de nos trois pays ont des plateformes où ils échangent régulièrement. D'accord. Et pour finir, quelle est la contribution de la diaspora nigérienne euh, à Ouagadougou dans cette activité Ils sont très nombreux à Ouagadougou et ils étaient les premiers à nous, à nous, nous alerter pour manifester leur volonté de participer à cet événement-là en tant que Nigériens là-bas. Et nous, nous les avons mis en contact avec les fêtières de l'artisanat d'ici. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé de la composition de ceux qui occuperont les stands et la communauté nigérienne autour du, consulat que nous avons là-bas est très active dans l'organisation de cet événement. Ça fait trois mois que nous travaillons avec eux pour préparer et ils sont très impliqués. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou. Et on va parler juste ça. L'assurance automobile couvre euh, les responsabilités civiques euh, civiles qui peuvent encourir le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule ayant occasionné des dommages à autrui. Ces dommages euh, peuvent être matériels comme corporels, mais il est abordé ici seulement le côté corporel de l'accident, qui sont les préjudices indemnisables, qu'il faut-il faire en cas d'accident de circulation et comment obtenir réparation du préjudice subi Réponse avec Ibrahim Barraou, spécialiste de droit à Ngengimi, entretien Abdoulaye Maina. Qu'est-ce qu'un accident de circulation C'est un événement soudain fortuit et indépendant de la volonté de son auteur, commis quel que soit le lieu, par l'intermédiaire d'un véhicule terrestre à moteur et qui cause un dommage à autrui. Ce dommage peut être matériel comme corporel, mais est abordé ici seulement le côté corporel de l'accident. C'est pour faire face aux préjudices que ces engins peuvent causer à autrui que la conférence interafricaine des marchés de l'assurance IMA a rendu en ses articles 200 à 279 l'assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur dans son espace. Pourquoi l'assurance automobile La mise en circulation de tout véhicule terrestre à moteur est subordonnée à la souscription d'une assurance automobile couvrant la responsabilité civile que peuvent encourir le conducteur ou le propriétaire ayant occasionné le dommage à autrui. observation de cette obligation constitue une infraction pénale. Quels sont les préjudices indemnisables En cas de blessure, l'assurance couvre les préjudices cités aux articles 258 à 263 au code ciment, l'incapacité temporaire de travail, l'incapacité permanente partielle, le préjudice économique, le préjudice moral, la souffrance physique, le préjudice esthétique, l'assistance d'une tierce personne, le préjudice des carrières. À cela s'ajoute le remboursement des frais de soins de toute nature consécutifs au sinistre. En cas de décès de la victime de l'accident, ses ayants droit sont indemnisés au fait de la perte d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un collatéral. Elles reçoivent à cet effet l'indemnisation du préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule doit réparer sur ses fonds propres les conséquences de l'accident, d'où le risque de l'insolvabilité du propriétaire. Que faut-il faire en cas d'accident de circulation Transporter les blessés dans une formation sanitaire, demander un constat au service de police. Déclarer l'accident au service de la compagnie de souscription. Vérifier que la déclaration d'assurance dommage a été faite auprès de la compagnie d'assurance. La déclaration d'accident doit être faite auprès de la compagnie d'assurance au plus tard dans les cinq jours à compter de la date de la commission de l'accident. Comment obtenir réparation du préjudice subi Les pièces à produire cas du décès de la victime, l'acte de décès, l'acte de naissance des enfants, l'acte de mariage de la veuve ou de veuf, le bulletin de salaire pour les salariés, le procès verbal du conseil de famille, les frais funéraires en cas de blessure, certificats médicaux, certificat d'incapacité temporaire de travail, certificat d'incapacité permanente partielle, remboursement frais médicaux, certificat de travail pour les salariés. La victime doit tenter un règlement amiable en approchant la compagnie d'assurance conformément au code SIMA. Le règlement amiable doit se faire dans un délai n'excédant pas un an si aucun règlement amiable n'est intervenu ou n'a été entrepris jusqu'à l'expiration de ce délai, la victime saisit le tribunal correctionnel ou civil pour se faire indemniser. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire justice. Marco. une petite pause musicale pour écouter Baywa du groupe euh, rap MDM Cruise. son Basoshe basukani Songa muserutani Baiwada toka kawa ne ya bamu Avec les fans I never give it up Kukosa ita wagana wa big up Ekasa eh, suche mune eh, Uba doko mune Ka El Pacino dangata eh, Uba masuka intiki Na temi yasa kuje kalona Shekaru ne bayana ya Na temi yasa kuje bayana Kunye kunye kukanne kasa Na temi yasa kuje gedada baba mai sama ya wa yanzu da 'yan kasa na kaunata. Lalle babu shaka. numai să ai Ține mă par con lu mașina Mânge dosu, mânge ghida Ti la bere mânge rile Garin di facă mă sarki Kaga mă aia mai Mu en are wa en gata Mun zo mara di mun zo gida Kalle ah, ah, ah. babu shaka a garin shakka busa waka ni ne baban su babu shakka kai ne baban su ai ma wasu sun ce babu shakka ni dan baiwa ne babu shakka kai dan baiwa ne ajita inji e bala ajita a e bala ajita inji e bala ajita a e bala ajita inji e bala ajita a e bala ajita inji ngaza kutaba ma. Nanambewa ngaza kutaba ma. Kutaba, kutaba, kutaba, kutaba, Voilà, chers auditeurs, c'était le groupe de rap MDM Crew avec le titre Bayoua. Pour l'écho des régions, nous irons à Tilaberi où le mariage constitue un rite de passage important au cours duquel la jeune fille acquiert le statut d'épouse aujourd'hui. Certains rites organisés pendant les cérémonies de mariage par nos arrière-parents sont de plus en plus délaissés. Chez les soirées, comment s'est fait le communiqué et les rituels de mariage Écoutons cet entretien de Balkissa Sadou avec Boubacar Mourou. Balkissa Sadou, il y a wato din hije da hunkun hije iman tafo. Zam don na mo kangirse da hunna na me kangirse iman tafo. Mm-hmm. Don hije matuno da. awo kai ai saban da kan ir bombodi kan irte ga ti ni hija te. mati bombondi ga fayyan kwari zini go no ngase. aga fur windi windi gici Juma hani filani ngo kwar gondi hije sabai fur windi windi hali ci ga banu hali ja to bora kunno koy hijado hal bora koy hijado asini windi kangte kansikati ngaha urutuwo imkataga singi hali kataga singi arusa igite mudun kaya ngiga hanne ginga kurgutote kurgutote sus bakango hijo guwe mgo kubaigeka hande hani igite leli wandiye ise hali ni lelote dondon karai no gidi dondon okar bar kul ginga tala mote ni muka ni min bankare hanne da ni min han korbe da min sene da watin wura wonai no ni koy lelodo hanni koy lelodo dondon karai gidi kari gidi gan taibur koy biti koy se gbo mbo yenno borengo no biskizi yang borengo borai gare imni simu koy ngai ma hijate te koi ma te bon kane wani don wano da songo hija iman tafu zamo don hija agte wondi girbi iye ni gite hija da te girbi iye so hija zari follow no wo hijo din ku bai ko su susba ni bi ga girbi iyo mo du kurni kan gondal salam tare agini chawande agini hani alhamdo akain gina min chab jingaro mat ki ga da. ni ga ga nan gatin limamu ni ga ga kal girbi iya am ja agini chawandi hal wodin bisa irwon ye lelo din ni te man girbi ya to mi so irgi zare kuna rusai zarai da wai higyo zare irmu do da isa wodi matugim yanno fa ko da gidan gi jandi no alada daino irmi kanka mirmu ka taygi yandi hadir ka irka gari tirse saku sako di no wadda wadda irka ngara ga hamai moni igi hina ima te dan surun dal hali iga dan watin faranti yan sin yara gidan koppai bun bo man ba imne tuyan ta sai ra iga dan im kata singi singi gondi yai iga te ha mai ha mai bor gare sibadu ifu tuwo kan ne tu gati ballai wana bi wodin kara watin igi maro nere arano watin iga dan hal wodin te bora kul yan gaido sub suba wahi jo safuno wahi jo jiyo ki kate ika ga pat pat da lalla wadda kul gondin fatar mizi kaina watini labi belo wono patarim kaini kaini kaini kaini te bar kunni patarim kaina im joti kaini kaina lalla kaini kaini wadda ino jinga sambu hal war sambi mne wadda kainai hal wadda kainai sambu imne to sonwa ban amma almari ilmu charku bai jinjodo jinjigati wanda yai wata ninga farage zini te bakul farege fofo ta danga bombu alhali rano wanda wadda dinga furo dinga yar wasai gora rai ga fakare wadda kai nai ngai mom ya banda no dinga tukko bi gano dun dunya filan no kini fayi manai himandi manai nonda filan safuni bai kwanta haifo da a ta fiti na minasa bai kwaifo foja ni kan babi nan dokante ni man dutunan di mai gindan wanda ya ra wajin kulu son wa asino kalen ya dir kwai hige ido kadai tan katakan gogote son hay kursin kalbizu bizu zu nigine hansi hinkame yim ka gi cara chup de mo big bo wahi jom big fat ba wahi ji ko ngai nangi gare wallahi su woni bay ko korban do no wo fudir bo kalir ko mi zankai ya marir ko mi kandir se hije ki gogte imiye kai don hije ga hije ki gogte ir ko mi no surara am te ko corona ma bizu ya wala ir sabai amir mudun kayan bai eh to ni di wora don wono da kan di an ngai straight wala man ngai straight wallahi don wono ni ngai straight zambora an barka bi a cini hala ni bato gogite kul kan ate ago koma gazai ni hawtu wo kalama tasu amma da ka an zura bon wal bo ma jare ka filana yo kan ga hina rani hala tutu tutuwai to tu zongu kan si kurabo rai bumbo tuwo hawro kalim yeg cindin seba tamara hun kun go kulban ka dayni gorg sino woni nyak fo sna kan ndago windu fo da hinam kan yawe kan go nsi ay go ngara ir koy ga hadda ir koy yega dogo nay fo zaman dir sam woni mo yeg katir se illa am tayir se bongu da bay woni Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, place à présent à la page sport avec euh, notre chroniqueur du jour, euh, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Bonjour, Adam. Bonjour Adam, débutons cette page sport avec le tournoi Ifouabe où le MENA U20 est tombé en demi-finale contre le Nigeria. De fait, trois buts à 1, pourtant les Nigériens ont ouvert le score dans ce demi-finale avant de se faire rattraper. Les U20 du MENA peuvent ainsi dire adieu à la qualification à la Cannes de cette même catégorie. Cependant, le Nigeria et le Ghana sont qualifiés pour la finale en même temps pour la Cannes U20. Le Niger affrontera la Côte d'Ivoire mercredi prochain pour le match de la troisième place. Adam, pour finir, la ville de Niamey accueillera du 20 au 23 novembre 2024 la phase qualificative de la troisième édition du championnat africain de football scolaire de la CAF pour la zone B, n'est-ce pas eh bien oui, six pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Bénin participeront en catégorie garçons et filles de moins de 15 ans à cette phase qualificative qui couronnera les champions scolaires de la zone B. Cette compétition représente d'énormes défis et s'inscrit dans une stratégie novatrice pour l'avenir du football sur le continent. Elle reflète également une vision claire du soutien aux talents et à la formation des futurs superstars de demain. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce premier numéro de la semaine. À demain pour un autre numéro. Merci, merci Adam, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 39 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. tu nous présente qui ce matin Comme l'a dit un proverbe, il n'y a pas de sommetier nous allons à la découverte de Rukaya Munkela, âgée de 38 ans, mariée et mère de 5 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier Comment pratique-t-elle ces métiers Quels sont les avantages reçus Elle nous explique au micro de Mamata rukai tel tayo ay man ko ga don dar kal nyame ir taki ay wana ay wan diplom boy bar tayan ne giti wana al bor wane matano ni go hige ra ay hige ay gwandi zugu kun hun kunan ga yana go gai murade kurferi tela ano haya go gite ni bai gudu ga gisine projet do wal gwamnati do mon bai gudu ga gisine ay amma dai duwa ay gaba ni ni bor yan don don andi tel go yo kan go gite zan kan don don andi zan ka kan to ngay bor hinza itaken tamana wani gobol aizan zan kai gogi don to ba sino dum iman kamba iman kan gobora amma ibera yo gihin dumbu kena ida bobo kim kimi na fofo no ni duara. na fa kan ai wo asbaka bugoban kambu goy mat kur kan ate asaban de kagu godde yakine kambu kono kuna dai tunai murade se albora sababe e gai murade te mos mos bombor kursi gbe. De isa ya mono kadde digi zurgu windi bor fodo taise yakin taise yakin hal hun kuna man koy kai gine bor fose taise yakin za ai do kam goyo ka hun kuna ai go du han kan ai go san bai hera ise hay kurka muradi te ngana gi hin feri se ke yan tonen di kel fose ne kan gabi inga mo im ngai kam goiti giti se dai gite hun kuna gore yam sino bor kurmutun gnu kam don dono dinu kyau dindi asigi goy fo barme dini man kyau mo da no nugu tun gu goi fo ceki gu wani ai wane kan ai go hun kun ba te si kan gi hin ga yi te yan ni don don ai ni saful li ki diyan don don ai ni te ay go du in fano ai go te gnera tambu kauye ya ignera isi Merci Mamata Dandokoy pour ces portraits, chers auditeurs, bouclant ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci avec l'artiste Fessani Aboussa avec le titre Torkan Dan, Dan Adam. Dunia, amizade com mais. ما صورته سوا يا سويا عين دوري دوري دا إيماني دوري دا زومونتي dauri da so hoyayya yeah yanzu babu ko dai imanin ya bace zumuncin babu shi soyayyar ta hako maha abinda ba mu zato zama duniya na yau abokina kowa ya tsora sa zamani ya sauya bayan na daure zama duniya na yau abokina kowa ya tsora tafiya da hankali da tarkon adam ko hanya ko tsehe bai raga ma kowa ba shi tarkon adam duwanda ya fada sai dai kaji wayo masu yana da kuka zama duniya kina kowa ya so rasa zamani ya sauya ba na dauri ba sama duniya na yau kai nima na so rasa zamani ya sauya Voilà, chers auditeurs, bouclons ensemble notre... Euh, et à présent, c'est le sage conseil de l'équipe femme du studio Kalangu qui aujourd'hui attire l'attention des femmes sur certains nombres de comportements au sein de leur foyer, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles, préférant passer le temps, leur temps chez les autres. Écoutons le loti 2 ce lundi affairage, affairage, affairage, affairage. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grand-sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça Oui, oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la troisième fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien Non, non, grande soeur. Hum. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité. Vraiment, c'est trop. Non, non, grande soeur. Je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher. Moi, je reste au salon. Hmm, subhanallah. Halima, quoi Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Genre, même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte. Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là, cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisants sur autrui et tout cela c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir, donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah, la fille s'y va me tuer. Genre, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une coépouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, Diam, grande soeur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement, Inch'Allah. Donc, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, tu vas passer ton temps tout le temps, tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Ah bah. les filles pour le loti du jour. Place à présent avec euh, la culture linguistique avec Samira. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture linguistique. Chaque 30 octobre est célébrée la journée mondiale de la vie. Le mot du jour est vie. La vie est une propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. La vie en anglais veut dire life. Life is the existence of a person. Let's take an example. Life is short. That means la vie est courte. A nurse tried to save his life. That means l'infirmière tente de lui sauver la vie. He spent the life 14 years of his life in retirement, qui veut dire que il a passé les 14 dernières années de sa vie à la retraite. Lors de cette journée est organisée différentes manifestations ayant tout en rapport avec la défense et la promotion des valeurs de vie, comme des conférences sur les droits de l'homme, la santé mentale, la nutrition et la sécurité routière. During this day, different events are organized, all of which have a connection with the defense and promotion of life values. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Mais surtout, profitez de la vie. Let's enjoy life. Merci Samira. Et chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Salut, on écoute le message envoyé par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. kuma yanayi mana sosai babu abin da sani ke jin daɗin shi da yake zakulo mana ƙungiyoyin mata mafi yawan ƙungiyoyin mata duka waɗanda ke wani aiki na hannu ina sauraron harkar wajen maraɗin nan harkar dabar ma wannan kai har buga shi ma duka ina sauraron abin da suke kaga nan studio kalangu yana hiddo mata yana hiddo mata ina son shi kwarai da gaske kuma ina ra'ayin shi ai ban taɓa saurari in ba inda aka cewa ana hiddo mata sosai kamar studio kalangu yana hiddo mata sosai gaskiya kuma ina ra'ayin shi ina gaida babban yata Maryamu Hajiya ta wai tawa kuma ina gaida Hajiya Madaniya ita ma tawa ina gaida Balaraba maza Albadi ina gaida hawa kalala ita ma tana nan kwami. Ja hankalin da gare ni dangance da zamantakewa da kuma ƙara tabbatar da kwanciyar hankali ga ƙasa Masamman irin wanga lokaci da ƙasa ta ta cinci kanta cikin irin wannan yanayi abin da ya kamata ga 'yan ƙasa da harko su gane cewa duka dai wanda Allah ya jarabta da gabanci? a ko ta wani fanni matsayinka na ɗan ƙasa shine shugaba ba a wani ko kiraye-kiraye ga al'umma da kalamai marasa kan gado na tada hankalin mutane a ci gaba da ba shugabanni haɗin kai shi ke tabbatar da tsaron ƙasanmu kuma da zaman lahiya amma duk wani abu saɓanin rashin ba shugabanni haɗin kai to ba abin da zai kai ƙasa ga illa bayan tsegumma kanana kanana wannan su ne ba mu wata mu abin da muke wata kullun yan Nijar su gane kasan mu da ita ce Nijar mu kuma talaka musamman mu mutanen karkara mu ɗauki kanmu matsayin kullun uwan mu dai uban mu dai na daidai akwai kwatamta ma jama'a cewa to kiraye kiraye da an kaɗan samu na kwanan baya mutane su bar lissahi da su su kwantar da hankalin su ba abin da ke faruwa cikin ƙasa dama duk inda Allah ya ka irin wa'annan ababe to dole ne ba yiwuwa a ce ya ta yi salam alam sai a rinka samun kace na ce tsakanin can da nan to akwai mutanen da su kuma kullum in ka ji su ba su kwatanta zance wanda yake alheri ne sai dai wanda yake da hankalin jama'a to abin muke so mutane su rinka gane cewa wannan zantuka ba su da tasiri duk zancen da baka ji ba daga bakin hukuma to ba zance ba ne wanda kai za ka yin gaba ka kara yaɗa don yana iya zama zancen ya kasance ba na gaskiya ba can inda ka ciro dama ma baka ciro shi ba ga mutumin da yake zancen yana da tabbata gaskiya ne kai kuma ka gaba kai ma ka ƙara yaɗa ko ta hanyar waya ne ka ƙara yada kuma zancen ka ga zance ne wanda yake ba tabbatacce ba da haka yada jita-jita da da bunƙasa zantuka wanda yake na ƙarya ne wannan abubuwan muna son mutane su kiyaye gare shi eh, sannan kuma matsayin mummunan mutanen karkara mu sa ga kanmu kuma mu rike da in mun ga wani abu wanda ba mu yarda da shi ba duk inda muke to mu dibi wata hukuma mahi kusa gare mu mu sanar da ita da cewa ga wani abu wanda ke son ya hankalin jama'a wanda ba mu yarda da shi ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Au micro, c'était Recha Arimi et moi-même Salam Kadri. À la technique, c'était Amina Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Excellente journée à vous.